Why am I giving you aussi some sir l'investi euh, madame mademoiselle je dirais Maimouna Sen. Ma len di wax ngeen tacc ko. Di len wax na tay ji li ngeen def nonu la. Parce que il faut ngeen bok ci yëngutu bi nga xamne ñun ñëpp ñi nga avons objectif bi benn rek la au soir du 30 juillet 2017 que la majorité soit du camp hein, de la de la coalition Benno Bokk c'est important vous êtes des étudiants je dirais des jeunes mais la force aussi euh, du parti, de la force de la coalition, je dirais, tout simplement parce que vous avez l'énergie, vous avez aussi euh, je pense l'intellect donc il y a un président Yakar, et puis il investit en vous en votre sein la jeunesse a un budget mais au niveau de l'enseignement supérieur vous le savez il y a plusieurs universités qui ont été construites il faut dire que même les universités qui avaient été construites avant mais pas terminées ont été terminées Aujourd'hui, je pense que vous avez un président qui croit en sa jeunesse, le président qui est le président de l'espoir, le président de la jeunesse, le président des femmes, le président de tous les Sénégalais qui œuvre pour le développement de l'être humain, qui œuvre pour le développement du Sénégal, mais qui œuvre aussi pour le bien-être des populations sénégalaises. Ce, président de la République mérite d'être soutenu. Ce président de la République mérite d'être accompagné. Alors, comment vous pouvez l'accompagner Vous pouvez l'accompagner en contribuant à asseoir une majorité éclatante au soir du 30 juillet 2016 au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, aujourd'hui, c'est le rassemblement, mais je pense que demain, ce sera des visites de... Voilà, donc c'est la proximité. On se rassemble, on sensibilise, on va vers les populations pour euh, leur parler. C'est aussi la sensibilisation, mais la sensibilisation de proximité. Parce que ce qu'on ce qu'on attend de vous aujourd'hui, c'est que vous votiez pour le Benno Bokoyakar, mais aussi que vous sensibilisiez pour que qu'il y ait plus de votants, pour qu'il y ait plus de personnes qui croient au président de la République et qui plus de personnes qui contribuent, je pense, au triomphe de notre coalition. Moi, ce sont les quelques mots que j'avais à vous dire, euh, tout en vous encourageant, vous disant que nous sommes ensemble. Vous avez une sœur qui a été investie, que vous, vous, avez, vous, êtes dans la même classe d'âge, plus, plus ou moins. Hein. donc, vous lui devez, je pense, ce soutien. En, la soutenant, vous soutenez le président de la République, qui l'a investi. Donc je vous encourage, oui, le président. Alors ça c'est le pacte avec la jeunesse hein, pour le triomphe, pour le triomphe pour le triomphe du Benno Bokk Yakaar may voilà pour le triomphe du Beno Bokk c'est le pacte que nous avons signé aujourd'hui hein voilà <laughs> voilà <laughs> merci merci Voilà, may wax dara dama bëgg ñu remercier Mama ci engagement bi mu am détermination ak liggéey bu am solo bi muy def ñu tàcc ko merci voilà comme niko mama tike waxé rek ñun dañu nek ay ndaw dañu nek ay ndaw dara soxolu ñu luddul ligéyal président Macky Sall pour lan vision bi mu am ci Sénégal pour mu mën ko doxal mu xol ma man mi ma bok ci ndaw yi comme yeen mu xamné dekk dafa bok ci li nga xamantene loxoy ndaw yi buñ ci bokul emergence mu bëgg du ko mëna am tay ji mu jël ma tan ma ci yeen investir ma kon yaakaar naa ne tey jii fépp fu ngeen teg seen tànk dama faa war a teg sama tànk dooleel leen dooleel président de la république dooleel askan bi ñuy seetaan ndax yaakaar naa ne lii dafa dal xel ndax euh, ku ne xam na ne réew pour mu développer jeunesse bi moo koy def te yéen da ngeen a engagé wu ndax xam ngeen li tax ngeen di jóg xam ngeen li tax ngeen di rayante pour président Macky Sall am majorité à l'Assemblée nationale ndax xam ngeen ne bu amul majorité foofu lépp lu mun a ma def ci réew mi du mën a sotti te loolu kenn ñaanu ko yàlla comme dañuy sant yàlla ba ngeen xamee loolu bokkoo leen ci jeunes yi ñuy nax di fëkk seen xel di ci def li nga xamante ne du noonu yàlla baax na ba ngeen ba ngeen amee xel di xalaat ndax wax étudiant rek yaakaar naa ni wax nga lépp ndax yéen ëllëg yéen réew mi ci seeni loxo lay nekk kon bu ngeen doxalee nii rek du ñu bett du ma guddal nag ndax Mama Tické wax na lépp dama ci doon sànni nii rek maa ngi leen di remercier leen féliciter ci seen engagement bi ngeen am